Très rapidement, je, vous je laisse entendre la sourdine à table, c'est-à-dire euh, jingle à manger. Bon, les Wanga. <laughs> manger foufou euh, avec euh, Joyce. On y go, on, y go. on y go. Sauf que je vous ai rajouté un supplément dans la sauce gombo. J'ai mis un peu de pistache. Pistache. Voilà. D'accord, merci. Ça, ça, le goût de ça monte jusqu'au cerveau maintenant. Ça me reste plus à la nuque. mais maintenant ça remonte. Ok. Tu as tout compris. <laughs> ok. Alors, euh, sauce gombo pistache accompagnée de couscous de manioc. Ça dit mhm. le foufou. Oui. Ingrédients. 300 mhm. grammes de pistache, pistache écrasée. Et quand moi, Aïda Sok, traduis. Aïda Sock. Pour traduire en C'est Edmond qui doit traduire. C'est Edmond qui doit traduire. Edmond traduire. bon en français traduire en wolof. d'accord. On y Pour cuisiner notre couscous de manioc avec la sauce gombo suñu suñu. sauce gombo sauce gombo. sauce. kanja kanja. waaw on a besoin de. ñu ngi soxla. Mhm. gombo découpé. Euh, kanja bu oignon. tomate. ak tomate. <laughs> écrevisse mu ne. ay crevettes maanaam crevettes séchées crevettes séchées oui. waaw moi, crevettes y ñu. bu wow yi ñu wowal. céleri. moi la di. céleri ay kii euh, genre feuille là. feuille bu mel genre persil. ab xob la ab bu persil. voilà. <laughs> viande de bœuf. Euh, yàpp nag. waaw. sel. xorom. Mhm. huile. Euh, diwlin. poivre. poivre mhm. farine de manioc.

te boo leen paree ci loolu noonu nag ngeen jël bi ngeen xaw ko mélanger non jaxase ko. Mhm. jusqu'à ce que la couleur verte se détériore et grandre les enfin et devienne chi et tire quoi. <laughs> waaw ba ba couleur bi daal di changer. dans une casserole mettre un peu d'huile. Mhm. ngeen jël ab euh, ni ñu koy sax. ab cin mhm. ngeen def ci diwlin. waaw tuuti diwlin. tuuti rek. <laughs> verser les oignons l'ail et remuer. ngeen jël soble bi ak laaj bi daal di ko ciy dugal rek commencé yëngal. Mhm, ajouter la tomate découpée et le piment puis laisser. ngeen jël li nga xamante ni si mooy tomate bi ñu dagg. Mhm. ngeen def ko ci biir ak lan. kaani bi mhm. waaw bismillah. laisser bouillir pendant dix minutes. ngeen bàyyi ko nag mu daal di. baax baax rek pët ñun pët pët la ñuy wax fii euh, fukki minutes rek fukki simili. waaw <laughs> ajouter le gombo la viande cuite à point et remuer. ngeen jël li nga xam ne mooy kanja bi.

maanaam ay accident daal. waaw ay wala mu bëggee accident ci biir sauce bi. vous pouvez ajouter du poisson fumé du crabe des crevettes des gambas mën ngeen jël ab confumé. Euh, mhm. ak lan. crabe. ak ay gis ngeen boo leen demee ci géej gi am na luy dox ci géej gi noonu. jonkob yi ngeen yokk ko ci. vous pouvez ajouter du poisson normal même frit. waaw ngeen jël. jën rek normal bu leen jël yaboy na. en tout cas ngeen def ko ci biir. <laughs> tout ce que vous pouvez vous voulez. waaw hein. maintenant ça c'est votre la sauce de gombo est prête. mm sur le couscous. Mais pour madame. Sauce piparena. Foufou. sauce piparena. Mais pour foufou, il y a Mettre de l'eau dans une marmite. Laissez bouillir à 100 degrés Celsius. Verser la farine de manioc de, de, de toute façon. Afin d'obtenir une pâte visqueuse, élastique et lisse pour pour ngeen am li nga xamanteni si moy gis ngeen pat gogou non nga xamne boko boo rek mu top la. wala mu bàyyi la. waaw pour ngeen am ko. avec un petit plat faire des boules et disposer dans une assiette. ngeen jël ay assiette nak xam nga rek jël affaire yi moy euh, farine bi. xaw ko def ay boules rek tek ko. daal di koy tek tek ko noonu. c'est prêt bon appétit bon appétit. en tout cas on va dire bravo à à Edmond vraiment c'est lui qui a géré aujourd'hui la traduction de ce plat foufou avec euh, avec avec de la pâte en tout cas. j'ai galéré mais merci. mais merci voilà tu t'es bien débrouillé. ah ouais c'est mangeable c'est mangeable <laughs> c'est mangeable alors il est exactement 10 heures passées de 5 minutes on est à terme de cette émission on a même piétiné on peut dire l'heure donc ce qu'on va faire c'est dire au revoir, remercier Aïda Sok, remercier Edmo Flo d'avoir partagé ce plateau avec nous. Alors, on va commencer par les invités d'abord vous dites au revoir et bonjour. et bah, je dis bonjour, hein. je dis au revoir. <laughs> surtout, surtout euh, bah, ça peut être un bonjour. Hein. On se retrouve là-bas là, sur, euh, sur YouTube. Mm-hmm. Le clip qui est là-bas, vous pouvez aller le regarder. Mm-hmm. Et puis sur les médias sociaux, il faut nous suivre. Euh, il y a d'autres news qui vont venir, bien sûr. On a des live shows. Mm-hmm. il y a Edmond qui prépare le 31. Moi, je prépare d'autres aussi au Novotel, comme lundi dernier. Donc juste regarder, il y a des choses qui arrivaient. Merci vraiment, le son, il a été vraiment bien reçu. Mhm. Donc merci à tout le monde pour le support. Eh, c'est comme elle a dit, merci à, voilà, tout le monde. Et mhm. euh, le clip est là, le son est là, ça, bouge bien, ça tourne. Shout out à Black Anise. Euh, voilà, <laughs> Black qui a fait le clip, euh, Mario qui a fait le son. Donc, et après Shout out aux fans, mhm. King FM, mhm. à vous. À Merci. à vous. Et voilà, une très bonne journée. Juma Moubarak, et voilà. Juma Moubarak. nous khas ok? Eh, eh pardon. <laughs> <laughs> en tout cas, à 10 h 6 minutes dans les studios de King FM, on a Angla Anna qui dit que nous on veut alors que l'émission continue jusqu'à 12h. Vous allez nous faire quoi <laughs> Donc euh, voilà, en tout cas, on vous dit bien merci. Hein. on est vendredi. Hein. Uh-huh. Bon début de week-end. Uh-huh. Surtout pas d'excès. Uh-huh. Et vous le connaissez, le programme, c'est tous les jours de lundi à vendredi, de 8h à 10h sur la King FM 99.4 et sur tous les réseaux sociaux. Donc restez connectés. En attendant, je vous donne rendez-vous lundi. Bisous là-bas. Bisous là-bas. Ouais, ouais, 10h, 6 minutes. Choisis. <laughs> Il faut ne pas, oui, Bintou. À 10h06 minutes du Big Up, euh, Mamadou Djakhate, Ada Koutouewak, Mama Babakar Si, Salé Kalofou. King mhm. Family, euh, groupe Futur Média, du Warnek Bintou Monek, on kabi. À la technique. Est-ce que, est-ce que monna Big Up Ken? Ou Big Up? Honorina, euh, depuis, depuis, depuis, <laughs> depuis Rio. Big depuis Rio, yeah. Voilà, mention très spéciale à elle. Wow. Uh-huh. Oro, Oro, uh-huh. c'est comment Oro? Honorina. Honorina. Honorina. Honorina. Oh, kamu mana Olof lah. <laughs> Oh, eh, eh? oh, Honorin. Eh, sécurité pour pour ce nom, Honorin. Honorin sama xarit bu baax bi maa lay bu baax. waaw. di wax ne ci bi. technique bi nag. Zela uh-huh. moo te digital ba. Uh-huh. Cheikh Faye. Uh-huh. ak uh, Tidiane ak Tidiane. Tidiane waaw. ah kati dinañ ko gis. dinañ ko gis uh, bisous bisous à toi. <laughs> merci beaucoup merci beaucoup les gars merci à Joyce merci Bintou merci Aïda merci Edmond. voilà c'était tout pour The Morning King d'aujourd'hui vendredi un peu spécial on a trop parlé parce que tout est permis vendredi et je vous rappelle le concert de Fali Hippopa les tickets sont disponibles à la RFM TFM King FM Chosan et dans toutes les brioches d'or et On a une nouvelle chroniqueuse, elle s'appelle katinjai Elle va nous rejoindre lundi. Alors, chers internautes, chers auditeurs, attendez-la lundi. Elle sera avec nous. Et comme d'habitude, on va faire des morning kings incroyables, comme d'habitude. J'ai la vous dit merci et on se donne rendez-vous. Ah, j'ai oublié. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Alfie de la TFM, Yewulen, ah. c'est son anniversaire aujourd'hui. Happy birthday. Oui, euh, on la souhaite un joyeux anniversaire. Oui, to you. <laughs> joyeux anniversaire à Alfie. Alors, euh, modèle aussi. Allez, au revoir. Restez connectés au programme du King FM. le 26, le 26 c'est mon anniversaire. Euh, le 26 quoi Inch'Allah, mars. Mars, voilà. D'accord. <laughs> Ouais, c'est lundi. Lundi, d'accord. Alors, vous qui voulez le numéro de téléphone, ah oui, vous, vous maintenant pour les cadeaux. Voilà. À l'international, le son, il est dispo sur Spotify et sur iTunes. Et au revoir avec cette belle chanson de Hyde Sock et euh, Edmofo, Kidding.